Elles sont jeunes, elles sont des femmes. Et comme le dit l'adage, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ces jeunes leaders n'ont pas attendu. Elles s'engagent. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, Chez Dakar est allé à leur rencontre pour parler de leur militantisme, leurs entreprises, leurs réussites, leurs obstacles. Portrait croisé de ces jeunes femmes leaders. Euh, Bonjour, je m'appelle Néné Fatou euh, je m'appelle euh, Madame Gaye Je m'appelle Mam Diop. <laughs> Alors, je suis responsable marketing et communication du groupe VacaBoard. Je suis présidente du euh, Je suis la présidente de IWA Sénégal, Youth Women for Action, qui est le réseau des jeunes filles et jeunes femmes leaders du Sénégal. Je suis en même temps membre de la commission jeune de l'Union africaine, IYC, et en même temps membre de ECOWAS euh, je suis la directrice générale de l'entreprise MPS. Euh, je suis membre de l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal. Donc, euh, nous faisons des actions sociales dans cette, dans cette union en vue d'aider les femmes, surtout les femmes qui veulent entreprendre et autres. Je suis responsable politique au niveau de Cambérène, mais aussi en même temps au niveau de du département de Dakar. Mon engagement, ce qui l'a motivé, je vais dire, euh, d'abord, euh, c'est euh, l'éducation familiale que j'ai reçue, la famille. J'ai grandi dans une famille où j'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents, mon père, ma mère, de la famille agrandie, entourée de mes oncles, mes tantes, des voisins, des voisines. Et mon père est quelqu'un qui a toujours pris soin de sa famille, de l'éducation, qui est toujours là pour aider euh, les autres. J'ai grandi dans cette ambiance familiale-là. Je vis aussi ma mère qui est une femme formidable, qui a pris soin aussi bien de ses enfants que d'autres enfants qui lui ont été confiés. Et tout ça, euh, je pense de manière... Euh,

amul fumu mu dëkk léegi nag ma ne ma def benn groupement buñ ko défé ñu dimbalenté suñu bop ba lépp lo xamné ne am nañ ko ñu jël ko def ko ci souf ndax souf mo lool mo nek lo xamné dal boko boko investiré do perdre wa je dirais plutôt le social le bénévolat euh, l'envie de participer au développement de de la jeunesse africaine. C'est ce qui m'a le plus motivé dans le, développement social. Oui, bon, j'ai très tôt quand même découvert une personnalité quand même qui, euh, qui aimait entreprendre. Donc, euh, j'ai passé par une entreprise en tant que commerciale pendant une année et demie, mais très tôt, je me suis rendu compte quand même que je pouvais travailler pour moi-même. Ce qui m'a motivée, en, premier lieu, je pense que ce n'est pas seulement le fait que le président Macky Sall, autant qu'il était le président de l'Assemblée nationale, avait subi une injustice, mais aussi, mais aussi le fait de vouloir participer au développement de ma localité. Quand je parle de ma localité, je parle de la commune de Camberen. Comment je me suis dit, après les études, euh, euh, peut-être je n'avais pas encore trouvé de boulot, mais quand même c'était nécessaire de participer au développement de ma localité. Et ça, je ne pouvais pas trouver mieux d'aller s'aligner avec le président Macky euh, des obstacles, je dirais pas non. Euh, est-ce qu'on peut considérer ça même comme des obstacles C'est tout à fait normal. Quand on, évolue dans une association à dimension internationale, forcément, il y a des obstacles, mais plus c'est des obstacles financiers. Parce que euh, nous avons des projets d'envergure nationale et la plupart du temps, euh, nous avons des obstacles financiers qui font que ces projets ne peuvent pas être euh, être, euh, être réalisées. Euh, à la Jeune Chambre internationale, par exemple, nous avions le traditionnel dépistage gratuit du cancer du sein et des de l'utérus. On a commencé par des sensibilisations. Aujourd'hui, euh, il y a six centres qui ont été construits au Sénégal grâce à l'appui de la Fondation Bank of Africa. en tout cas, moi, mon souhait, c'était de couvrir tout le territoire national, dans tous les districts sanitaires où il y a des sages-femmes, qu'il y ait un matériel

ñuy fay di leen lebal ñuy fay may leen lépp fay bi baax na waaye comme kër laa bëgg yéen ñëpp ngeen am ko dama bëgg ñu jublu ci kër yi daal yéen ñëpp ngeen am ay kër yu ngeen moomal seen bopp. Oui, des obstacles, il n'en manque pas, on en rencontre beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui même où je vous parle, dans le milieu social, les jeunes rencontrent beaucoup de difficultés que ce soit dans le déroulement de leurs activités, de leurs projets et programmes, ils ont des difficultés. C'est très difficile, ce n'est pas évident. Et surtout l'aspect financier aussi, parce que le plus souvent, les jeunes sont confrontés à ces problèmes de financement, manque d'appui et d'accompagnement pour dérouler les activités qu'ils veulent dérouler. Ah oui, ah oui, il y a, des obstacles, hein, comme pratiquement dans tous les, tous les domaines, surtout euh, quand on est une femme euh, et qu'on démarre vraiment assez jeune, ce n'est pas évident forcément, il y, a des, obstacles. Beaucoup même. Beaucoup. Euh, je pense que depuis 2008, la date de création du parti, l'Alliance pour la République, je suis dans le parti. D'ailleurs, je faisais partie des deux rares jeunes filles qui distribuaient les body même lors du lancement de l'Alliance pour la République. Mais jusqu'à présent, je pense qu'il y a des trucs qu'on peut dire devant la caméra, et d'autres qu'on ne peut pas dire, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau départemental, voire au niveau national. J'ai eu à rencontrer des obstacles, mais quand même, je pense que c'est du bien pour moi. Ça a fait du bien pour moi parce que ça a participé à, euh, mon avancement, mais aussi à mon évolution dans le champ politique. Et je pense que ce n'est pas une chose négative, mais plutôt positive. Alors, euh, il y en a plein, plein, plein. <laughs> il y en a beaucoup. Forcément, euh, quand on évolue euh, dans le volontariat, dans le bénévolat, il faut le rappeler aussi, hein, ça n'a rien à voir avec le côté professionnel. C'est un engagement qui est, quand on est au service des intéressés des communautés, forcément l'espoir que l'on suscite même l'espoir que l'on suscite euh, constitue vraiment euh, un bonheur inestimable. Parce que je me dis aujourd'hui, euh, et c'est une même des valeurs fondamentales de cette association que j'aime plus que tout au monde, qu'est la Jeune Chambre internationale. La personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et le regard des femmes que l'on rencontre un peu partout, des jeunes dans les universités, cet engouement même que l'on crée à travers nos activités, pour moi, c'est un bonheur inestimable Et

sant sama waajur tamit maam Kourou Ndour Ndoura Yacine Fara Massamba ak Ndeye Kat parce que lépp moom la mooy moo ma yaatal moo ma jur fa ma war a juree ba nga xam ne képp koo xam ne gis na ma rek dina ma bëgg ma aw ma dara taxu ma dara te ñoom ñëpp dañuy daw si lu ma wootee ñu ñëw daw si ñëw ne ma munaas li yëg li lii man tamit xeebuma xelu kenn lépp lu ma nit xelal rek damay jël xel moomu jël ko dékku ko daal xam ne loolu àdduna sa xelu bopp du doy foog nga jël xelu nit ñi dolli ko ci Déjà la création du réseau des jeunes filles leaders. Ça déjà, je pense que déjà c'est une réussite de créer un réseau de jeunes filles leaders ici au Sénégal parce qu'avant, euh, on voyait dans le social qu'il y avait des réseaux de femmes, des réseaux de jeunes, mais pas spécifiquement des réseaux de jeunes filles. Et que nous, aujourd'hui, on s'est dit qu'on veut de se battre pour la cause de la jeunesse féminine, raison pour laquelle on a créé ce réseau de jeunes filles leaders pour contribuer au développement de la jeunesse féminine ici au Sénégal et partout dans le monde aussi. Le plus beau souvenir, c'est euh, un jour euh, d'arriver à construire ce, bâtiment, ce siège. je pense que quand même, je suis partie de rien. J'ai démarré l'activité, je peux dire, avec... Euh, avec zéro franc. ce hein, c'est pas facile de, le comprendre, mais c'est comme ça. Et qu'au bout d'une dizaine d'années, 10-12 euh, ans, qu'on puisse quand même euh, construire notre propre siège et voir qu'en ce moment, nous faisons une cinquantaine d'employés. ça, ça m'a fait euh, vraiment beaucoup de plaisir. Le jour où on, a porté le président Macky à la tête de la magistrature suprême. Euh, le plus mauvais, non. Euh, très sincèrement, il n'y en a pas. Comme je l'ai dit tantôt, euh, c'est plus des obstacles financiers, des déceptions que l'on ressent si on ne peut pas, parce que aussi, c'est beaucoup de responsabilités si des personnes ont beaucoup d'espoir, fondent beaucoup d'espoir sur vous et que vous n'arrivez pas à solutionner tous les problèmes. parce que jox nañ ma bopp ba lépp lu ma leen wax rek moo tax nit ki nit ñi booy nekk ak ñoom dee leen wax dëgg parce que dëgg googu ñuy gis ci yow di daray àdduna du fee seen bët ba dëgg googu la ñuy gis ci yow ñoom ñëpp koo wax ñu ne la may mun a lu mu la wax dëgg la rek loolu sant laa ciy def parce que duma leen fen lépp loo xam ne wuti naa ko ba am ko dama leen naan wuti naa lii am naa lii nañ leen def nii nañ leen def nii ñu commencé di leblante xaalis ba léegi kenn ku nekk kii bu xëyee ku amul won matla dem nga jëndi matla ku amul won écran plat dem nga jëndi sa écran plat dugal sa nek parce que ñun tam dañ nek jigéen yu liggéey xaaruñu goor ci suñu suñu bop wa ku bàyyi sa kër 6 h du matin di daw di daw di daw ngir lo yobul sa njabot da nga bëgg li ngay liggéey nga gis ko lolo tax man ma jaar di len jappalé ne len ku amul lal ñu dem jëndal la lal ak armoire nga dugal sa nek sanni manam dal ken baña xépp sa liggéey mauvais souvenir je dirais plutôt euh, Euh, l'incompréhension de, certains adultes euh, dans certaines activités vous dites quelque chose, ils le prennent de travers. Donc euh, je dirais que ça, c'est un peu difficile de ne pas se faire comprendre, surtout quand on est jeune et qu'on partage le milieu euh, social, le milieu de la société civile avec des adultes, des fois qui ne comprennent pas, qui pensent qu'on est des jeunes, des imposteurs ou qu'on n'a pas quelque chose dans la cervelle. Donc là, vraiment, c'est pas... Le plus mauvais, est-ce que je fais même attention On en rencontre, on en rencontre maintenant. Est-ce que j'ai le temps de faire le tri sur ce qui est le, plus mauvais. Euh, je ne pense pas. Mais il y en a. c'est des obstacles, c'est des soucis qu'on peut rencontrer avec euh, certains de nos, de, nos, clients, de nos partenaires. Il arrive de faire confiance, de faire tout ce qu'il faut, de travailler et de ne pas pouvoir rentrer dans ces fonds alors qu'on a des engagements, on a beaucoup de, de charges et le système n'aide pas toujours pour euh, rentrer dans ces fonds le plus rapidement possible. Ça, c'est quand même des soucis c'est Le plus mauvais, c'est le jour où on a perdu les élections en 2014, alors que j'étais candidate de Beno Bokoyakar pour devenir maire. En tant que jeune, euh, je pense quand même qu'au Sénégal, euh, le leadership est ancré chez beaucoup de jeunes. Euh, il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup d'associations. Euh, beaucoup de citoyens engagés. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont compris au Sénégal que l'État ne pouvait pas tout faire. Et en tant que citoyens, nous avons notre rôle à jouer dans le développement, tout simplement, euh, dans l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens, de nos concitoyens. Et euh, ça, les jeunes l'ont compris. Et je trouve que c'est un leadership fort. maintenant, il faudrait juste que, que l'on soit plus solidaire, que l'on se mette ensemble, qu'on mutualise nos forces pour être encore plus, plus fort et tout simplement impacté euh, plus d'impact. Parce que seul, on ne peut pas. Si on se met ensemble, notre impact sera encore plus fort. Mais c'est un leadership euh, reconnu euh, qui est ancré même dans, dans le commun des concitoyens au Sénégal. Si, si, si. Les jeunes, ils peuvent faire, les jeunes, ils ne peuvent pas jeune mooy génn mooy dox mooy xool li nekk ci terrain bi mag mag boo fi ils bu amee place dem na bu dee jeune nag dina xëy suba beneen moroomu jeune am ne ko lii ak lii mu xam ne lii jaaduwul mu dem def ko waaye boo nekkee jeune ci ngay gën a xam lan la nit ñi di daj ci terrain bi parce que ñu bari dañuy ñëw ne la lii wax la lii baaxul lii baaxul lii baax nga xam ne lii ñu la wax baaxul nga dem wax ko sa njiit ne ko lii kat buñ ko defee woon nii nii parce que ñii gisuñu seen bopp ci lii parce que njiit mu ne day déglu ay nitam ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf di ko indil mais bu dee ay mag mag ñi duñu dem fenn looloo tax ñun ñuy xale ñu dugg ci politique

parce que tout le monde ne peut pas euh, trouver emploi comme il le désire. Et on ne peut pas rester les bras croisés. Si certains ont l'opportunité, ont les possibilités pour intégrer des entreprises en tant que collaborateurs. mais si on n'a pas cette opportunité, autant essayer de créer soi-même euh, son emploi. Et forcément, euh, si on s'y met, on persévère, à un moment donné, on devient entrepreneur. C'est à encourager. Pour moi, ça permet de, gagner sa vie et de gagner en expérience. Oui, les jeunes politiques se, débrouillent bien, que ce soit au sein de notre parti, que ce soit dans les autres formations politiques au Sénégal. Je pense que maintenant, même si ce n'est pas dans le domaine politique, les jeunes filles sont, distinguées partout où elles sont. maintenant, c'est devenu une règle. À chaque fois qu'il y a des jeunes filles et des jeunes garçons, c'est les jeunes filles qui sont toujours devant. Ça, ce n'est plus à démontrer, c'est devenu maintenant une règle au, Sénégal. Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Parce que déjà, le fait qu'ils soient grands et euh, qu'ils ont balisé le chemin, ils nous ont montré l'exemple. Et nous, on ne fait que suivre leur pas on ne fait que suivre leur pas. Et ces grands-là sont importants parce qu'il y en a qui nous appellent, euh, qui nous conseillent, euh, qui nous suivent, qui nous encouragent et qui nous corrigent. Parce que forcément, quand on est jeune, on commet des erreurs. On n'a pas on n'a pas la capacité de tout connaître, de tout savoir. Parfois, on peut se tromper de bonne volonté, on peut se tromper de bonne foi. Et justement, ces grands qui ont, euh, qui, à qui on voue un respect total, euh, nous appellent pour nous dire euh, on vous encourage, on vous suit, euh, vous avez fait telle chose, prochainement vous pouvez vous prendre de telle manière. Donc ils nous conseillent. Et ça, c'est vraiment important. Et ils méritent toute notre admiration parce qu'ils ont commencé quelque chose qui nous a donné le courage pour nous, jeunes, de venir encore suivre leur pas et tout simplement d'accomplir des choses. mag ñi bàyyeewuñ ko ñu gën a bëgg xëccoo affaire bi mais ñun tamit duñ leen bàyyee ak yi parce que ñun tamit dañ bëgg dara bëgg dara weesuwul ngay xëy suba ba ngoon jot ñu lay wax président Macky Sall suba ba ngoon jot ñu lay wax te yow doxe woo yow loo xam ne di nga mën a indil xale yi lu leen mën a kii parce que ñun xale yi bi biñ ci duggee léegi mag ñi sax ñu ngi doog a gis seen bopp ci politique parce que Soumbédioune lu nekk daan na fa am lu nekk daan na kii mais ñu bari daan ñu ci woon gis seen bopp mais léegi loo wax ñu ne gis nañ ci seen bopp nakkan may mun a bu demee ñëw dinañu indil lii dinañu wax lii loolu sant yàlla la daal sant yàlla la. Euh, difficilement. Euh, maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Je, dis je dis à mes sœurs qui sont, dans le milieu social qu'aujourd'hui, ça va. Mais avant, ce n'était pas le cas. Avant, c'était très difficile de, s'affirmer dans le social. avec nos aînés qu'on a trouvés dans le secteur qui sont là, c'était très compliqué. Mais maintenant, ça va, on arrive à s'affirmer. Il y a des adultes, des mamans ou des, papas qui, qui, vraiment nous laissent la place pour qu'on décide, pour qu'on développe, pour qu'on innove, pour qu'on s'active davantage dans l'activisme social. Moi, je pense que pour mon cas personnel, au début, les gens peut-être ne me prenaient pas trop au sérieux. Commençant même par mon ancien employeur, quand je lui ai dit que je vais partir travailler pour mon propre compte. Et quand il m'a demandé tu vas faire quoi, je lui ai dit bon, j'adore ce métier, je reste donc dans ce milieu. Il ne m'a pas trop pris au sérieux. J'étais très jeune, j'avais pas grand-chose, donc peut-être même il ne pensait pas que je pourrais réussir un jour. Mais je ne fais pas trop attention à eux. Moi, j'essaie de me forger, de faire mon, travail et d'avancer. C'est vrai qu'ici au Sénégal, la concurrence est très difficile. Les gens n'acceptent pas facilement la concurrence. Et surtout quand ça vient des jeunes, parce que quand on est jeune aussi, on vient avec de nouvelles idées, c'est normal. moi, j'ai fait des études quand même en marketing, donc euh, c'est pas évident. Mais on ne peut pas se laisser attarder aussi par ces états d'âme. Il faut faire son chemin et avancer. Nous aussi, on ne se laisse pas faire. Vous, jeunes, nous du moins jeunes, non seulement jeunes, mais jeunes filles en, même temps, je dirais, parce que être jeune, c'est déjà un obstacle. Si on y ajoute d'être fille ou d'être femme, ça devient encore plus complexe. Mais on ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas faire parce qu'on a très tôt compris qu'en politique, rien ne se donne, tout s'arrache. Et on se, met à la tâche tous les jours, du midi, matin, soir. Si, on n'est pas dans, des besoins professionnels, on se met à la tâche. Euh, sur la journée euh, du 8 mars, euh, c'est toujours les mots de toujours. Hein. Les femmes sénégalaises, elles sont fortes, elles sont courageuses, elles sont partout et elles forcent l'admiration. Euh, oui. Et moi, je me dis, euh, la journée du 8 mars, euh, comme je l'ai toujours décrié, il n'y a pas que le côté folklorique. c'est vrai, le monde entier se réjouit de cette journée consacrée aux femmes. Et ce n'est pas qu'une seule journée. Je pense que tous les jours sont consacrés aux femmes, du fait même que le rôle que la femme joue euh, dans les ménages. La femme, c'est le pilier de la famille. Donc c'est euh, une personne importante, même dans le développement d'un pays. Elle éduque les enfants, elle a la responsabilité de construire un monde de demain, un monde meilleur, euh, un monde où hommes et femmes vivront en parfaite harmonie. Parce que c'est ça qui est important. Nous, nous disons toujours moins de folklore, plus d'action, plus d'action qui impacte réellement la vie des femmes. Et c'est nous, femmes, qui avons cette responsabilité de montrer la voie, de dire qu'aujourd'hui, oui, euh, au sortir le 9, nous devons faire un bilan. Chaque année, nous fêtons le 8 mars. Qu'est-ce qu'on tire de cette journée et le bilan est important et chaque année d'essayer de nous améliorer.

ndax ni mu sonnee woon ak li mu doon liggéey ba indil ñu ko tedd kii ma dellu ci sama xel di dem ci sama yaay ni mu sonnee sama kër baay sonn muy metti lool sama yaay toog ñun xam nañ ne ñun sama yaay li mu daj ci sëy ñun duñ ko daj ci sëy kon moom tamit ñun suñu xel day dem ci moom bu baax a baax ndax moom bam bam ñu juree rek dafa metti léegi nag mu jox ma jigéen ju baax muy jàdd juuf na ko yàlla yaram yàlla na suuf tuubaa sedd ci kawam moo ma yar moo ma yar def ma nii ma def ba kenn ku nekk mën ma bëgg kenn ku nekk ku ma waxal nga daw ci ci man du jikko ji ji ji mën naa am na lu yàlla def ci man ma juddoo ko mu ne ci man waaye dolli na ci man muñ dolli na ci man maandu dolli na ci man loo moomul ba ko fa loolu yëpp mu def ci man gëm-gëm googu mu def ci man ba ma nekkee xale màggaale ko moom laay dundee ba tey sama xel di dem ci jigéenu sumbi jun yi nga xam ne dañu sonn fajar 4 heures du matin ñu ngi xëy ci marché fu am jën fu ñu yaakaar gaal dana fa teer ñu dem wuti jën ñëw bëgg ko jaay bëgg am dépense bu ñu yóbbu seen kër ñii di waas jën seen loxo yi di dagg di xàcc jaasi seen loxo yi di dagg lépp ngir bëgg am lu ñu yóbbu seen kër kon jigéen ñooñu bravo rek lañ leen di wax. une affirmation une affirmation ou plutôt je dirais plutôt une prise en compte des droits des femmes le respect des droits des femmes. Donc euh, là, je pense que c'est une grande satisfaction de voir qu'aujourd'hui, partout dans le monde ou au Sénégal, on respecte les droits des femmes, on, célèbre la femme. Donc là, déjà, c'est quelque chose de bien. Ça veut dire qu'on fait des pas, des pas en avant. Il y a des bons en avant qu'on est en train de faire pour vraiment réaliser euh, tout ce qui est capture des dividendes démographiques, tout ce qui est promotion de la, de la femme, tout ce qui est parité aussi. Donc je pense que cette célébration vient à son heure. Euh, avant, c'était c'était pas le cas, c'était pas bien célébré hein, partout dans le monde ou en Afrique plutôt ou plutôt au Sénégal. Mais maintenant, on sent vraiment que toutes les institutions euh, toutes les organisations, tous les ministères sectoriels se mettent davantage dans ce plaidoyer-là. Même au niveau de Maristop International aussi, au niveau de Maristop Sénégal, nous faisons de, grandes choses pour la, femme sénégalaise. C'est une bonne chose. Hein. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pendant une année de prendre une date et de, de, marquer euh, le coup, que ça soit à l'honneur des, dames. Hein, nous, par exemple, chaque, 8 mars, nous, allons déjeuner quelque part dans un grand restaurant de la place. On est une vingtaine de, femmes dans cette entreprise. Et tout le temps, les hommes nous ont quoi. Ils sont, ils, <laughs> sont grognons, genre, ah, et nous, pourquoi, hein? pourquoi pas nous J'ai dit, bon, c'est le 8 mars, c'est pour, pour la femme. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut saisir l'opportunité, faire quand même euh, le point sur euh, ce qui après, cest le 8 mars et à partir du 8 mars, où on veut aller. C'est important. Ne pas se limiter au euh, euh, côté farfelu, au côté entre guillemets, danse, manger, folklore, mais aussi essayer de, voir sa position en tant que femme, femme leader ou femme qui veut entreprendre. Qu'est-ce que je dois faire Où dois-je mettre mes pieds Ainsi de suite. C'est une bonne chose la journée, moi je trouve. Moi j'aime bien une journée dédiée à la femme, c'est bien. Mais je pense que les 365 jours de l'année doivent être dédiés à la femme. Parce que la femme, elle est école. La femme, elle est école. On dit en général, éduquer, si tu éduques un homme, ça se limite à cet homme-là. Mais si tu éduques une femme, tu éduques toute une nation. Donc, pour célébrer la femme, ça, on doit le faire tous les jours. Mais quand même, merci à tout le monde, comme on a choisi le 8 mars pour les femmes. Euh, mon message de toujours encore. le message, il ne peut pas varier euh, chaque année. Euh, je l'ai dit tantôt, la femme est le pilier de la famille. Elle mérite, elle mérite tout le respect, elle mérite toute l'admiration possible euh, méritent euh, vraiment, euh, et j'appelle les hommes à faire des cadeaux. Hein. Il ne faut pas faire les cadeaux justement le jour des anniversaires, euh, journée du, 8 mars, faites des cadeaux à vos épouses, faites des cadeaux à vos mamans, à vos sœurs, parce qu'elles le méritent bien. Je pense qu'elles sont et régulent un peu la, la société. Et c'est vraiment important qu'elles soient valorisées. Je profite de cette occasion pour euh, souhaiter une bonne fête à ma maman euh, qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Euh, euh, je suis très très fière d'elle, je suis fière de l'éducation qu'elle m'a donnée. C'est une femme forte. je pense que toutes les personnes qui connaissent cette grande dame savent tout l'effort, tout l'investissement euh, qu'elle a, qu'elle a fait euh, pour ses enfants. Euh, je dis enfants avec grand E, pas forcément ses enfants naturels, parce que ma mère a éduqué d'autres enfants qui n'étaient pas forcément ses enfants. Elle accueilli tout le monde et je l'ai vu à l'œuvre. Et je pense que maman, je t'aime beaucoup et bonne journée de la femme. Ce sont nos mamans qui méritent vraiment d'être fêtées parce qu'elles ont accompli des choses extraordinaires. Elles ont fait tout simplement les femmes d'aujourd'hui qui feront les femmes de demain. Elles méritent tout notre respect bonne fête maman je t'aime beaucoup. jigéenu Sénégal jigéenu àdduna bi lépp ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi leen di souhaiter 8 mars boo xam ne dañ koy yàgg a teewe képp ku ci am njaboot suñu borom barkeel sa njaboot ba lépp loo sonn seen kër bàyyi suñu borom jàppale la ci maa ngi gërëm jigéen ñëpp ñëpp ñëpp di leen wax bonne fête de 8 mars. ah je dirais plutôt la confiance en soi il faut toujours avoir confiance en soi ah, c'est pas évident, c'est pas facile de réussir dans la vie, mais quand on, quand on a confiance en soi, quand on croit en ce qu'on fait, quand on a des objectifs euh, qui sont clairs, quand on veut vraiment atteindre le sommet, faut croire en soi, faut persévérer davantage et se dire que je peux le faire, je peux l'obtenir, je veux l'atteindre et vous aurez tout ce que vous voulez dans le monde même attraper le ciel. Je veux dire qu'elle euh, qu'elles encore plus en elles. Les femmes sont capables de tout. On se rend compte de plus en plus qu'il y a des femmes entrepreneurs dans le monde, au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde, et c'est des femmes qui réussissent. Contrairement à ce qu'on pouvait croire, que seuls les hommes ont cette capacité de diriger. Aujourd'hui, c'est clair que les femmes sont de très bonnes dirigeantes. Je les encourage dans cette voie, hein, d'avoir euh, la tête bien sur les épaules, savoir ce qu'elles veulent et avancer. J'ai des bonnes fêtes à toutes les femmes, mais aussi qu'on soit patiente, qu'on soit endurante, dans quelque domaine que ce soit, qu'on soit endurante, qu'on soit patiente, parce que l'avenir nous appartient.